2024, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, heureux de vous retrouver pour ce numéro de l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animé par Fanta Chamsou et moi-même Samira Wafi. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien Samira. On n'oublie pas aussi ceux qui assurent euh, de l'autre côté de la vitre à la technique, c'est Mustapha Ayouba et Adam Adawaki à l'édition. Alors dis-moi Samira, quel est le programme de ce matin pour commencer, Fanta, nous allons faire euh, le tour de l'actualité dans le flash d'information et direction Agadez pour le reportage région. Il y aura également du loti de la culture linguistique et la rubrique hebdomadaire éducation comme chaque jeudi. Et ce matin, vous en saurez plus sur le district sanitaire des Matamé dans la partie entretien du jour avec Dr Garba médecin-chef de la dite institution. Alors, euh, chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour une heure de programme. C'est avec euh, le flash d'informations que nous allons ouvrir cette édition. Il nous sera présenté par Afika Taher. Bonjour Afika. Bonjour Samira, bonjour Fanta. Bonjour Afika. Alors, euh, euh, pour le flash de ce matin, 10 soldats tombés et 8 blessés. C'est le bilan officiel de l'attaque djihadiste survenue mardi dans le département de Terra, région de Tilabéry. L'information a été donnée sur la RTN hier. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Seydou Mamadou, a présidé hier à l'Université Jibohamani d'Ottawa la cérémonie d'ouverture d'un colloque international axé sur le thème État de souveraineté, enjeux, défis et perspectives pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, se tient depuis hier à Ottawa, organisé par l'Université Jibohamani. Ce colloque de deux jours a pour objectif de replacer les, dimensions de la souveraineté au cœur du débat politique, économique, social et culturel. Il vise également à donner un, un contenu scientifique à la théorique souverainiste qui mobilise aujourd'hui les populations du Sahel. Enfin, dans ce flash du sport, les 211 fédérations membres de la FIFA, lors d'un congrès virtuel hier après-midi, ont attribué l'organisation des deux prochaines Coupes du Monde au trio Espagne-Portugal-Maroc pour 2030 et celle de 2034 revient à l'Arabie saoudite. Et c'est tout pour ce matin. Merci Rafika. Chers auditeurs, dans un instant, vous allez suivre un entretien où Dr Garbet, qui est médecin-chef du district sanitaire de Matamei de la région de Zender, nous présentera cette institution. Mais avant, nous allons faire euh, le premier tour en musique pour bien vous installer. Pour ça, on vous a choisi euh, le pouvoir de la femme du groupe Soniger. toutes les émotions, épouse de toutes les soumissions, sœur de toutes les tentations, fille de toutes les privations, tant de compassion, dans un corps en perpétuelle évolution, femme de la base de nos fondations. Des beaux Nous sommes tes licornes qui protègent ça, Nous donnons de la force pour nos familles, nos proches. Une femme, c'est une mère, une épouse, une femme communauté. Nous sommes les qui protègent et sortent Nous donnons de la force pour nos familles, nos proches. Une femme, c'est une mère, une épouse, une sœur. La gardienne, le socle de nos communautés. Les femmes, elles sont fortes. Sur nos dos, on supporte. Chaque minute, chaque seconde, tout le poids de ce monde. Le pouvoir de la femme est une chanson qui émergeait d'une rencontre entre plusieurs artistes féminines toutes unies pour une même vision, célébrer la puissance du collectif féminin et l'impact transformateur de la solidarité entre femmes. cette chanson est née d'un moment décisif, un rassemblement inspirant de femmes venues de divers horizons, déterminées à partager leurs forces et à changer le monde ensemble. Les paroles sont fortes, profondes et remplies d'espoir. Cette chanson est sortie il y a tout juste à 10 jours. qui nos femmes et nos proches. Une femme, c'est une mère, une épouse, une sœur, la gardienne, le socle de nos communautés. Shekaru da dama, kowa a kullum, saboda yanci da matsayi wanda dama namu ne. will find me. Voilà, chers auditeurs, après cette première balade en musique, il est temps de passer à l'entretien du jour. Dans la première partie, Dr Garba Chiwake nous dresse la situation du district sanitaire de Matamei, suivant cet entretien qu'il nous a accordé durant notre séjour. Ah, docteur, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter ces, districts sanitaires et aussi les CSI qu'ils recouvrent le district sanitaire de Matamai, nous avons une population de 616 713. Nous avons une densité de 259 habitants par kilomètre carré. Nous avons 788 villages. Nous avons 20 CSI fonctionnels, dont 5 sont tenus par des médecins. Nous avons également 48 cases de santé. Mm-hmm. Et est-ce que vous avez tout le matériel nécessaire pour découvrir vraiment ces là Ah bon, je ne dirais pas tout, mais quand même nous avons l'essentiel. Mhm. Nous avons l'essentiel, nous avons tout ce qui tout ce qu'une formation sanitaire euh, devrait avoir quand même pour faire la prise en charge de, la population de son aire de santé. Et selon vous, quel est le plus grand atout de ces districts-là par rapport peut-être aux, autres Bon, un atout, c'est que, comme je l'avais dit, euh, nous avons une, très bonne euh, densité. Nous avons jusqu'à 259 habitants par kilomètre carré. C'est pas un district très vaste où facilement nous pouvons être en contact avec la population. Et euh, un peu partout, nous avons des formations sanitaires fonctionnelles. Nous avons aussi un bloc opératoire, c'est-à-dire nous avons un hôpital de district mhm. qui a un bloc opératoire fonctionnel. Du coup, pratiquement toutes nos urgences obstétricales ou chirurgicales sont rapidement prises en charge au niveau de notre hôpital de district sans pour autant le référer. À part ça, nous avons jusqu'à des anesthésistes pour vraiment s'occuper du bloc. Nous avons des capacités en chirurgie de district ce que beaucoup de districts n'ont pas. Mhm. Donc vraiment, voilà les atouts. Et nous avons aussi une bonne collaboration entre nous et les autorités administratives, entre nous et toute la population, entre nous pratiquement avec toutes les couches sociales euh, du département. Donc euh, je pense que c'est un des atouts que les quelques atouts quand même que nous avons. Et quels sont les plus grands défis euh, auxquels vous êtes confrontés euh, l'un des défis, c'est que nous avons une très faible couverture sanitaire. Nous avons une couverture sanitaire de 44%, ce qui fait en sorte que dans nos projections pour les années à venir, il y avait des transformations des cases de santé qui sont qui sont en cours dans l'optique vraiment d'augmenter cette couverture sanitaire, ainsi permettre à la population d'être plus proche des, formations sanitaires. Du coup, nous pensons qu'avec ça, nous pouvons aussi rehausser certains indicateurs comme l'accouchement assisté, qui, qui reste encore un défi pour nous. Donc, beaucoup de, de stratégies, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour rehausser ces, ces cet indicateur. Donc, nous pensons que c'est l'un de nos, de nos grands défis quand même que nous avons pour cette année et pour les années à venir, mhm. c'est la couverture sanitaire, augmenter l'accessibilité, augmenter le taux de fréquentation de, nos formations sanitaires, entre autres. Et ma prochaine question, ça vous avez déjà soulevé un point, je crois bien, par rapport à la fréquentation des femmes et à l'accouchement assisté. Mhm. Est-ce que vous avez un bon taux dans ces départements En tout cas, on a évolué on a vraiment évolué par rapport à l'année précédente parce qu'en 2023, on avait un taux d'accouchement assisté qui était autour de 32%. Cette année, en 2024, nous sommes déjà à 39%, ce qui veut dire que des efforts sont en train d'être faits et les stratégies que nous sommes en train de mettre en place sont en train vraiment de donner euh, des, bons résultats. Mhm. Et quelles sont ces stratégies Ces stratégies, bon, vous savez, comme je l'avais dit, nous avons jusqu'à 48 cases de santé. Donc, du coup, malheureusement, certaines de ces cases de santé-là ne sont pas euh, gérées par des personnels qualifiés. Donc, nous avons des personnes, ces personnels qualifiés dans les CSI. Donc, de temps à autre, c'est ces responsables CSI vraiment qui partent dans ces cases de santé pour assister euh, les agents qui sont sur place pour pouvoir avoir ces, cet accouchement assisté. À part ça aussi, il y a un redéploiement interne que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous sommes en train de prendre des agents qualifiés pour amener aussi dans des cases, des de santé, pour un peu pour un peu équilibrer. À part ça, des projections, comme je vous l'avais dit, qui sont en cours, que nous pensons qu'avec euh, en 2024, nous aurons entre 3 et, et, et 4 euh, cases de santé qui doivent être transformées du coup, on va augmenter cette couverture sanitaire et par ende, on va augmenter les taux d'accouchement assisté aussi. Avant de continuer cet entretien avec Dr Garba Wake, marquons une petite pause pour écouter le titre Rosie de Habib Ben. Elle était déjà là bien avant de recommencer. chanson reprise par Ben est une chanson française de l'artiste Francis Cabrel. Ce remix Zouk de transforme cette chanson d'amour en une véritable invitation à la danse et à la sensualité. Dès les premières notes, on sent l'énergie chaude du Zouk qui parvient à insuffler une nouvelle vie à la mélodie originale. que j'entends ce soir, quand même j'y compris. Faut pas dire à qui je ressens, faut dire qui je suis. Oh Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent de t'avoir eu qu'un instant. autant l'heure et de recommencer la nuit. Rosie. chers auditeurs, après cette pause musicale, Poursuivons la découverte du district sanitaire de Matamei dans la région de Zender avec le médecin-chef Dr Garba Chiwaki. Dans la deuxième partie, il parle de l'importance d'un bon accueil des malades et du maintien d'une bonne hygiène dans l'hôpital du district. Et toujours par rapport à la fréquentation de la femme, il y a toujours euh, cette rumeur entre griffes de, du mauvais accueil qui rend les femmes un peu réticentes à, à venir dans, les centres de santé. Est-ce que c'est vrai d'abord Est-ce que vous faites euh, des sensibilisations <laughs> je, dirais, je ne dirais pas que c'est vrai, mais, mais c'est ce qui se dit souvent ailleurs. Hein. Mais ce que nous savons, que lors de nos formations, que ce soit médecins, que ça soit infirmé. tous les agents de santé. Nous avons la pleine conviction que les, le, mauvais acquis n'arrange rien dans, le, dans la prise en charge ne favorise pas une prise en charge de, nos patients. Du coup, euh, l'une des choses, la première des choses que nous devrons garantir, c'est l'acquis un bon accueil dans nos formations sanitaires pour permettre vraiment à toute la population de vraiment venir au besoin. Parce que je le répète, une formation sanitaire n'est pas un lieu de loisirs où chacun va venir. Quand quelqu'un vient, c'est qu'il a un problème et il a besoin d'être écouté et il a besoin d'avoir une solution. Et souvent, vous allez voir, c'est juste des inquiétudes. Euh, la personne n'a même pas besoin d'une prise en charge. Euh, médicamenteuse, c'est juste à travers des conseils, des orientations et la personne se sent satisfaite. Donc, par rapport au mauvais que nous, nous savons ce que nous sommes en train de faire dans notre, dans notre aire de santé. Mhm. À chaque rencontre avec nous les autres agents, c'est l'une des choses vraiment que nous rappelons. Et vraiment, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Mhm. Et jusqu'ici, on n'a pas une plainte formelle une plainte formelle par rapport à un mauvais accueil dans une, dans une de nos formations sanitaires. Mm. Mais je ne peux pas les nier parce que je sais que euh, on l'entend par-ci, par-là, les gens en parlent. Mais dans notre ère de santé, je ne peux pas l'affirmer que réellement il y a une structure où les, malades sont mal accueillis parce que mm. c'est une des choses que nous ne pouvons jamais permettre. Euh, dès que nous constatons qu'il y a un agent vraiment qui maltraite ou qui accueille mal les, les patients, des dispositions sont déjà prises, mhm. prévues. Par conséquent, nous allons prendre toutes les dispositions utiles vraiment pour, pour résoudre ces problèmes. sur un autre plan, actuellement, est-ce qu'il y a des maladies qui ont un lien avec la saison et dont vous êtes euh, en train d'essayer de... Bon, la maladie, là, c'est surtout le paludisme. Le Niger, c'est un pays endémique. Certes, cette année, il y a beaucoup de d'actions qui ont été menées dans l'optique vraiment de, de prévenir euh, le paludisme, à savoir euh, la distribution des moustiquaires, la distribution gratuite des moustiquaires, ou dans notre ère de santé quand même, nous avons la certitude qu'il n'y a pas euh, un foyer ou un, ménage qui n'a pas été servi. il y a aussi la, la chimioprophylaxie que nous faisons chaque année CPS. Nous avons fait jusqu'à quatre passages et des conseils que nous continuons à donner. Mais il s'est avéré que le pays, c'est un pays endémique. Donc cette fois-ci, cette année aussi, l'une des maladies les plus fréquentes que nous prenons en charge, c'est le paludisme. Maintenant, avec les, les changements de, température et de, de un peu de climat, il y a aussi les infections respiratoires qui, qui commencent à s'installer, surtout chez les enfants. Donc nous sommes au bout de nos questions, sauf si vous avez, euh, euh sauf s'il y a des points dont vous voulez parler auxquels nous on n'a pas pensé. Non, euh, je pense que l'un des points, je l'ai toujours évoqué, c'est que nous les agents de santé, nous sommes au niveau opérationnel parce que nous sommes là pour la population. Nous sommes là la population. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour, pour cette population. Par conséquent, euh, peut-être je ne l'ai pas dit, mais nous menons beaucoup des actions communautaires, beaucoup des actions où nous, tout le monde est impliqué. Il faut qu'il y ait une implication de toutes les couches sociales, culturelles, non Des, au niveau de, notre, de notre département, que ce soit les leaders traditionnels, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les, les associations, etc., des, femmes, des jeunes, société civile. Mhm. Tout le monde est impliqué parce que il faut que tout le monde s'implique pour que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs. Maintenant, au niveau de l'hôpital, vous pouvez le constater, nous essayons vraiment de maintenir la propriété au sein de l'hôpital. Mhm. Malheureusement, souvent, il y a certains comportements, surtout de nos visiteurs. Mhm. Quand tu viens, tu trouves un endroit propre comme notre hôpital. Je pense que le minimum serait de nous aider à maintenir cette propriété en faisant quoi Nous avons mis des poubelles un peu partout. Donc quand vous consommez quelque chose, que ce soit de l'eau, que ce soit, je ne sais pas, vous avez, il faut jeter ça dans la poubelle que de jeter ça dans la nature. Parce que nous, vous euh, vous rendez notre travail comme euh, toujours à zéro, difficile à zéro. Chaque fois, il faut faut reprendre, il faut reprendre. en faisant ça, vraiment, on nous aide. Il y a aussi certains qui, essayent de faire leurs besoins un peu partout. Or, nous avons des toilettes partout. Nous avons électrifié l'hôpital. Vous pouvez le constater. Il y a même des lampadaires qui, solaires qui sont là un peu partout. Donc, il n'y a pas d'endroit endroits où on a peur d'aller aux, toilettes. Par conséquent, vraiment de nous faire ce c'est vraiment de nous faire cette faveur-là. C'est leur contribution que nous attendons pour, mhm. pour vraiment continuer à maintenir cet hôpital propre. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Restons toujours à Matamei pour la rubrique éducation de ce jeudi. Nous allons à la découverte du centre de formation au métier, le CFM de cette localité. Ce centre est un levier essentiel pour l'autonomisation des jeunes filles et des jeunes. Il offre des formations qualifiantes, des opportunités d'apprentissage et des solutions face aux défis économiques et sociaux. Cependant, Maman Sani Abdou, directeur de ce centre, déplore le manque de mécanismes de prise en charge des jeunes après leur formation. Il est à ton micro, Fanta CFM, comme on l'appelle en abréviation, le Centre de formation au métier du Matamé, a été créé par un arrêté ministériel du 25 septembre 2009. Donc le centre a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2009-2010. À ce jour, nous comptons jusqu'à sept filières. Il y a l'économie familiale couture, il y a l'ASP, là où on fait le maraîchage, l'élevage, la pisciculture. Il y a la construction métallique, c'est-à-dire la menuiserie métallique, la menuiserie bois, plomberie, mécanique rurale, électricité bâtiment. Et à ce jour, le centre de formation au métier de Matame compte un effectif de 286 élèves répartis dans les diverses filières que j'ai énumérées. Pour ce qui est de la fréquentation des filles, Dieu merci vraiment, le centre gorge plus de 50% de l'effectif, c'est des filles et des femmes. Donc Dieu merci vraiment, c'est une bonne chose. Elles préfèrent quelle filière en fait La plupart des filles, elles préfèrent la filière couture. Il y a quelques-unes qui font l'ASP aussi du côté du maraîchage et l'élevage. C'est ça un peu pour ce qui est de la fréquentation des filles. Et les élèves qui nous accueillons au niveau du CFM de Matamé, c'est des élèves post-CM2. Donc après le CM2, il y a des élèves qui sont orientés au centre de formation au métier de Matamé pour leur formation. Et il y a aussi des inscriptions libres. Comme vraiment le centre arrive à dégénérer des ressources humaines capables de faire en sorte que les jeunes se prennent en charge. Vu cet engouement-là, il y a des jeunes vraiment qui viennent avec leurs parents pour s'inscrire au niveau du CFM de Matamé. Est-ce que vous recevez des élèves qui viennent d'autres communes en dehors de Matamé Le centre, il a assez de filières et généralement dans les autres communes, c'est juste une ou deux filières. Et vraiment, il y a des élèves qui nous viennent d'autres communes à cause des diversité des filières que nous avons. Même pour ceux qui est de l'inscription libre, il y a des élèves qui viennent d'autres communes pour venir s'inscrire ici, suivre la formation. Et la formation dure combien de temps C'est une formation de deux ans qui est certifiée par une attestation qu'on appelle le CQP, le certificat de qualification professionnelle. C'est un diplôme national. Et pour ceux qui est des inscrits libres, pour les modalités d'inscription, il y a un dossier que les parents fournissent et il y a les frais aussi d'inscription qui sont de 12 000 francs. Pour toute l'année Oui, pour toute l'année. Et pour ce qui est de la gestion, vraiment, je peux dire que les difficultés là sont minimes. Vraiment, vu la volonté qu'on a et vraiment, on est soutenu par l'État et en nous affectant des formateurs qualifiés. Pour ce qui est de la matière d'œuvre aussi, chaque année, l'État nous fournit la matière d'œuvre et avec les partenaires techniques aussi, ils arrivent à nous appuyer. Vraiment, on n'a pas assez de difficultés pour ce qui est de la formation de ces jeunes-là. Euh, le seul euh, souci que je peux évoquer, c'est après la formation. notre souhait, c'est de sauver ces jeunes-là en leur fournissant un métier. Une fois qu'un jeune ou bien qu'une jeune fille est formée, normalement, elle doit s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Tout c'est là les difficultés vraiment qu'on arrive à gérer, car il n'y a pas un mécanisme vraiment de prise en charge de ces jeunes-là. Le centre-là, vraiment, il contribue à la lutte contre le chômage, à la lutte contre l'exode, vraiment qui est un phénomène que vraiment le centre doit faire de son mieux, l'État fait de son mieux pour insérer les jeunes là. Mm-hmm. Mais c'est pas facile, vous savez, avec euh, peu de moyens surtout. Et vous avez d'autres partenaires en dehors de l'État qui vous appuient pour la gestion de ces centres L'appui qu'on a eu en matière d'œuvre, c'est l'appui du PRODEC. Et Prodec nous a vraiment fortement soutenus en matière d'œuvre Et c'est avec ces matières d'œuvre là jusqu'à présent, qu'on arrive à gérer l'effectif-là sans problème. Et à part Prodec, il y a aussi d'autres partenaires comme FAFPA qui nous appuient en sciences de formation. Mais sinon, vraiment, le plus grand soutien, c'est l'État. Moi, mon souci, comme je l'ai toujours dit à chaque occasion, c'est l'insertion des jeunes. Puisque ça me choque si je forme un jeune par exemple en mécanique rurale. Et enfin, je demande un an, deux ans après, on me dit qu'il est parti en exode ou bien qu'il est parti ailleurs, ça me fait mal. Je veux que l'État ou les partenaires puissent créer un mécanisme qu'après la formation là, qu'on puisse <clears throat> vraiment insérer les jeunes là. C'était la rubrique hebdomadaire éducation de ce jeudi. Un avant-dernier tour en musique avec le titre La mère de l'humanité de Adams Junior. Sauvez la femme et les enfants du monde entier. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. miss a bara Oh, that's going to be some case that's not the birthday. Mauvaise condition, nous gana ikoga isai furtisra. Mauvaise condition, que ça, sonaye appartement. Ça fait pitié au sexe. Dans cette chanson, la mère de l'humanité, Adams Junior, rend un hommage à la femme, symbole de vie et de force. À travers ses paroles, l'artiste célèbre le rôle fondamental de la femme dans la création et l'évolution de l'humanité. Sa voix chaleureuse et émotive, accompagnée de choristes femmes, fait de cette chanson un véritable hommage à la maternité tout en, tout en rappelant l'importance euh, de la reconnaissance et du respect envers toutes les femmes. Un morceau qui résonne comme une déclaration de gratitude envers la féminité sous toutes ses formes. c'était le titre La mère de l'humanité de Adams Jr. Passons à présent au reportage région de ce matin. Nous allons faire un tour à Agadez où le service en charge de l'état civil de la commune rencontre des difficultés dans la déclaration et la récupération de l'acte de naissance par les parents. Un acte de naissance est un document juridique authentique attestant de la naissance d'une personne et revêt d'une grande importance dans la vie humaine, notamment lors de nombreuses démarches administratives. Des précisions dans ce reportage de Moussa Maman. En tant que preuve d'identité, l'acte de naissance permet de confirmer l'âge d'un enfant, de l'inscrire à l'école, de poursuivre son éducation et est essentiel pour diverses démarches administratives explique Adam Habi, chef du service en charge de l'état civil à la commune urbaine d'Agadez. Euh, l'importance de l'acte de naissance va sur trois à quatre. Le premier niveau, aujourd'hui, si tu n'as pas un acte de naissance, tu ne peux même pas aller à l'école. Le jour où tu as 7 ans, on doit t'amener à l'école si tu n'as pas un acte. Même si à l'école on inscrit l'enfant, on va te dire il faut aller chercher son acte et amener. Si l'enfant n'a pas l'acte, il faut lui faire un, un acte avant 3 mois euh, des débuts de l'école. Le deuxième avantage d'un acte de naissance, si tu veux passer ton permis de conduire quand tu as 18 ans, quand tu n'as pas un acte de naissance, tu ne peux pas le faire. Quand tu veux aller au service militaire ou à la garde, à la gendarmerie, la première pièce qu'on va te demander, c'est euh, d'abord est-ce la personne a Malgré son importance, les services responsables de l'établissement de ce document rencontrent d'énormes difficultés, comme l'indique Adam Mouhabi. La première difficulté, c'est les parents même, dès le début de la consultation prénatale, au niveau des centres de déclaration. Les gens ne prennent pas la peine d'aller avec euh, la carte d'identité du père et de la mère pour que leur nom soit pris correctement pour qu'il n'y ait pas des Parce que nous, nous prenons des déclarations avec des erreurs, euh, nous saisissons et nous faisons l'acte de l'enfant, l'a des et après, quand les parents viennent récupérer, pour ceux qui viennent récupérer, ils constatent qu'il y a des erreurs au niveau de leur nom. Donc vraiment, il faut que euh, cet appel soit pris par la population de la commune urbaine d'Agadez pour que, dorénavant, quand une femme va pour la première consultation, qu'elles prennent le temps de chercher les deux actes des parents avant d'aller à la constellation. Le deuxième problème que nous avons, c'est la récupération même des actes. Euh, à Gadez, les gens ne viennent récupérer les actes de leurs enfants que quand ils ont 7 ans. Quand ils veulent les amener à l'école, c'est à ce moment qu'ils viennent récupérer les actes. Selon un premier sondage mené par le service en charge de l'état civil de la commune urbaine d'Agadez, de 2010 à 2020, plus de 50 000 actes de naissance n'ont pas été récupérés par les parents. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et place à présent à la page sport de ce matin nous sommes avec notre chroniqueur du jour, Grouza Hasumi Bonjour Grouza. Panta, bonjour. Samira, bonjour. Bonjour. Alors euh, Grouza, le MENA national féminin U17 est depuis mardi à Accra au Ghana pour participer au tournoi UFOAB de sa catégorie. Oui, la capitale, euh, oh là là, que je dis encore, la compétition va démarrer en principe aujourd'hui 12 décembre au 22 décembre 2024. L'équipe du Niger est dans le groupe A en compagnie du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Le premier match va se jouer entre le Ghana et le Bénin. Certes, le Niger est le petit poussin du groupe A, mais les poulains du sélectionneur national du Niger, Hamidou Jibo, dit Papin, vont mouiller le maillot. C'est une équipe jeune qui n'a pas d'expérience et c'est maintenant que le sport féminin, comme vous le savez, prend son envol au Niger. Quittons le football pour la pétanque. Nous allons nous rendre à Matamei où l'équipe de boule de a joué le week-end dernier un match avec l'équipe de Matamei, n'est-ce pas, Grouza Oui, Samira, c'est une rencontre de solidarité et de la cohésion sociale. C'est un match amical entre les deux équipes d'une même région. Nous retrouvons Habou Sarki qui était au rendez-vous. Wasan fetank motsa jiki ne wanda ake gudanar da shi sosai a mata mai wanda kuma ya ba da gudunmawa wajen ɗaukakar sunan mata mai a duka faɗin ƙasar. Bayan ƙwarewarta da iyawarta, ekipkinta mata mai tana samun buƙatun saduwa domin a yi wasannin sada zumunci daga ko'ina. Mamallon wanda ake ce ma Polina, shugaba ne na ekipkin fetank ta Star King Zandera, ya ba da hujjojin shi na kasancewa a mata mai. Mun ka ziyara ne mata mai ta sada zumunta ta yau da kullum wanda muke dama mun sa kulab in mata mai yanzu ya wuce a cikin suna koyo saboda ba plan national ba international ma ana iya kai kuma ana iya buga gaba da su yanda muka san karhin kulab din mata mai tana yiwa wasu yan mata man ma ba su sani kuma duk in aka tahi sai an kai ruwa rana da yan mata mai kulab din mata mai ta huddo sunan mata mai a Niger a Kambul walla an san ta ko ina an san yan mata mai alhaji aminu a matsayin ka na shugaban ekip kin fetank ta mata mai wasu irin bururuka ne ko kuma bukatu ne wato kuke da su a game da wannan haduwar ta mata mai To wannan 'yan uwanmu ne abokan mu ne 'yan cikin garin Zandar kuma yanzu wannan wasa ne suka zo na sada zumunci tsakaninmu da su daga garin Zandar. To mu mu dai wannan wasa ne muke yi na fetank ana mata mai. Muna son ci gaba kuma muna son kamawar matasa da magabata da duk wanda suke sha'awa tunda wasa ne wanda yake ya kunshi da yara da tsehi da mata duka kowa yana cikin wasan kuma kowa yana eh, wasan kuma wasa ne daman na kowa da kowa. Alhaji Aminu wasu irin matsaloli matsaloli ne kuke fuskanta a game da wannan ekipkin taku? To gaskiya matsayin fetan ga anan mata mai yanzu mu ne dai muke kokarin mu tattala shi ya zama wani abu. To gaskiya matsalolin mu shine ba ma samun gudunmuwa daga harka cikin gari da abin da zamu mu ne muke ɗaukar kokari mu yi kayan mu. Voilà, c'était euh, le reportage de abu Sarki depuis Matamei. C'est la fin de ce sport. Merci bien, euh, Gourouza pour toutes ces informations sportives sportif À bientôt. Chers auditeurs, poursuivons cette émission avec la rubrique Portrait. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Kabiru Ousmane, surnommé Uizi Soja. C'est un jeune artiste militaire de 29 ans, originaire de Ningimi dans la région de Difa. Et depuis quelques années, il s'est lancé dans le domaine artistique et s'y distingue comme une véritable star. Il lance un appel aux jeunes, les incitant à se prendre en main, à développer leur autonomie et à subvenir aux besoins de leur famille. Il est interrogé par Abdoulaye Maina. kuma ina aiki garin gingimi. ga kanan soja kuma direba kuma ka tsinduma bangar abin da ya shahi waka to kamar tun yaushe ka shiga wannan harka da ya shahi waka wiz eh to gaskiya ya daɗe Ma yau bane saboda tun ina kano nake harka waka gashi kuma na shigo cikin soji kuma na cigaba da yi. Ita waka. Warai da gaske. Mi ya ja hankalinka wajen shiga wannan harka ta waka ne duk da kana ɗaya daga cikin ma'aikaci musamman na soji wizi. To, waƙa da nake yi abin da ya ja hankali na saboda in ba soji moral don su ƙara samun ƙarfin gwiwa a saman aikinsu. Kasan soji idan yana aiki yana samun moral ya yi jin daɗin aikin shi. kuma ya yi ci gaba da aikin shi kwarai da gaske. Wani irin waƙoƙi kake yi? To waƙoƙi kala-kala nake yi. Ina yin waƙa ta soji, ta soyayya, ta aure, da suna har da yabo ina yi. Misali ka ɗan rero mana mana waƙar da kake wa soja. Soja wuta wuta na bakin daji ne, soja wa na gingime kumbiri gini. Masha Allahu. zuwa yau kamar za a iya cewa wizi ya buga waƙoƙi kimanin guda nawa. Kai gaskiya waƙoƙi na suna da yawa saboda ni kana a yanzu dai gaskiya ban iya ga hudun adadinsu. amma a yanzu zan samu wanda dai na sani suna kai kamar guda ɗari. Duka bisa harkan sojin ne koko? To gaskiya na soji sun yawa, tunda ni bangare na na soji ne, soji ne ke mawaka. Kamar misali ana iya cewa wani irin ci gaba ka samu a cikin wannan aiki naka? Gaskiya na samu ci gaba sosai, saboda a da na sha gwagwarmaya sosai akan wa Ina ɗauka kamar abu ba mai mahimmanci ba ne mutane suna ganin kamar shirme ne nake yi amma daga baya na zamana na lura na gani waka wata baiwa ce wadda Allah yake ba mutum ita ba kowa ne yake samun ta ba na gani abu ne mai mahimmanci nake ci gaba da yanta kamar misali a wannan haraka ta waka akwai waɗansu garuruka da ka ziyarta gaskiya a yanzu dai ban taɓa ziyarta wani gari amma dai na ziyarci difa sai gingime wani irin ci gababancin waɗannan kuma za a iya cewa hallo ka samu kamar na shiga wajen manya da wasa da manya da yara misali gaskiya sai dai in ce alhamdulillah saboda shiga wajen manya babu yadda nake fargaba wajen yara duka babu yadda nake fargaba ko ina ina iya shiga in je in yi magana da kowa alhamdulillah wani irin matsaloli kake cin karo da su cikin wannan aiki na na waka wizi gaskiya dai ina cin karo da matsaloli sosai bisa kan ka waka ka san yau da gobe sai Allah yau zaka gani akwai masu sanka akwai wanda ba su sanka kuma waka dole ne ka sha wahala akai ko in ce ni ina yanta ne ba don komai ba sai dan saboda kawai in kara masu wuce kwarjini da kamala amma na sha gwagwarmaya sosai wani kira gare ka ga shugabanni musamman na nan gundumar gegime ko kuma shugabanninku na kuna ku jami'an tsaro ganin sun kawo maka agaji wannan aiki da kake yi bai tsaya ba ya ci gaba manyan ne dole ne zaka biyo ta bangaren su kuma gaskiya alhamdulillah saboda na ji daɗi sosai ban iya manta da Cornell Labize saboda shi ne ya nomo na harka waka na soji kaga babu abin da zan ce sai dai ce alhamdulillah yanzu a ƙarshe wani kira gare ka zuwa ga 'yan uwanka matasa kamar kiran da nake yi ga matasa su tashi su kama jikinsu su kama sana'a sana'a ba wai sai soji ba kowace sana'a kana iya yi kar ka zauna zaman banza zama na kashe gari ka ce shayi shayi sai ka ta gida iyaye sun baka a'a su ma suna da bukata Merci Abdoulaye Mena pour ce portrait. Pour clôturer notre playlist, on vous propose le titre Bonjour le Niger du groupe Soga. le talent des royaumes et des hommes Niger du groupe Soga. On passe au loti du desk femme du studio Kalango qui traite aujourd'hui des femmes qui, pour grossir, boivent des sirops ou médicaments sans aucune consultation médicale. En effet, elles sont nombreuses les femmes prises dans le piège des médicaments de la rue et la consommation de ces produits est nuisible à la santé de ces femmes qui font cette pratique. Écoutons Salamatou Kadri et Aminata Boubakar sur, sur le sujet. Loti Loti Loti Loti Loti Taxi Taxi man bo biyal borfo Taxi Taxi ir borai zai ai wali sigri ai no wali sin dai no ron buradu no wal no runo taksi ma nai kan su su boka soi go kai wai no rai man go kai gai sambo ha ummu he ni kar bani he bani sama wala zalika mata no go te tal kul sino dai man gano ni go kai ai di ni go ga taksi gai fu dai nai go kai ai bisa air phone ya kai go kai ga taksi ceci amma son kan nika kan gir ta yirbor hinka a ga ta son yirmu mudu taxi mai yirmu da ta car bandi so amma za kai di nan go ne dine no fuya nan da ir muta muta mu ko ir fa kare son da ir su di nan go mura to za kan ni ci irmu kwai Hmm, son dadai koi fuyan ai gai login foi ta yi wani zan kai se hey ni ga bai wadin dai no ga kani se gina dai ne koi gidan ga dai yi se leda ni go gidi he zalika hai farga zalika ni wani ga wasi bumbono guni me he masinai sai ya zage a hini no gogi salon fondo bon boho nan ke kursiyan wo ma ga bisir mu kwai ne di ne di rawo no hannu gogi funsu ai zalika sai ne sai sanno za dai kan ai ne hangan dowo sintin ai sin ga hai kul han bonse ne da ne ai bina ga funsu dai dole no ai ha walla haikun nai ga han sai bon sai ha kalun wari ai nwa da farkai amma su kungu wani mu kulmanta haikun no da vitamin e zai kai gogo gon vita ifo za wat fonon gogo vitamin han dai fo gindan vitamin han ya no kai ni ba dai ni min bon wino ne bai <laughs> dukuri wai buya ai ba han kan sai goga han boro ai eh, ni sai bayino ni man dai wacce ai ka gihi ma ha a lubutu lubutu ai ni sai bai kan wai bora ka na sai ai mo ga ba ai ci ne am su koyi gibor kurge ta bura ga me ni mu wali fonon di hey so ni wai ma ga sai no ni ga ba ni min bon wi bo ir koi sai ga yayi ga masin ga hamo dan sandai ha ifo sandai ai siga tugun sefa ai ne ni sai ai vitamini zai din dai duwai kanto si bor hin kasi banti tabon ha matala kopukama lafusi dina welo he ngwaga he ainen se daiduwe ai se sidi ha gaiga gaiga isbe ma ai wallahi ya sintin ga wasai sai bumbo nu ai gogi kini sai kan safarai din si bog da ni me ka furai sai kwato an yatu fura ai fa dai sai kwato yatu sani ai gun gidai kan dige ma ni wo da hautun hun kuna ga diran ni go dai le da biyo ai ya bin ne ai su dugun sai fa zalika ni di safarai wo kulu haddai tofu ai gidan bidon fura na mai harda ni gizin gizin gizin kara habi za fo da kyar mara dai go ka ni ga mi karba bagan dai ni su bai sahu kan safarai wa hayan wo gin ga kan din ga han no sino hey irwe bore wa tukul sa ranir don da no don zagayen bore he don da no don ay wacce budon yirno dono han zagayya wallahi wai bore a hanga dan barandi kai gina ai min no silman kai na masan bu hinini bonga gunne dine de rawo bo matkan ni gogu fun sarda safarai wo kulkan ni goga han ni sibai ba kan safariyan nu ni ya dai ni mna sugu yuttu dai kan ni goce kidin ni siduwa ni gunda izo ga ni jine ni ja sai ga kasu ni ga bai mo ga jasa subhanallah sun warai ga bone eh wane kulman bangina ma no din kan ni ba nin bottu bottu go koi go bai fo manda banda dai kan ni ba mu zingen dini ni gunda ga han akul ga yen gunda ga koi ne ni bi sigabu ni ga ma bon sari ni na ga so bai ga pati kai kai kai kai kai kai kai hai zalika ai ngone on kulkan ni ci kun gogate ai ne ne se hai fo kai ne fo kul dai dira burum gabi kul sayra amma ne bai funo gaidi mamaci de ni wo mata no ne te ga bai haye wo kul ga kan ni go mo ne ko ga lamba lamba te no mai mana bai ai wo kai iza haigina banda de no ai na wo de ai fogi han zaman ni ga mo ya da bo man te ga ham din fatta jig bu wai taki igi wo de mani jangai amma za dai kan ai ma wo kan safaga wo wahanyan wo kan dino ai ni wallahi nin bumbo din man hagwai ni ga kaino kak son kai ni koi gidir gin wai chona ni kurnisi ai manan te te te wasu te wasu da gidan po hinga na iga dan fi sora he yi sihin boni he man tinin kai handai ha aigi menda menda za wo kangai dai sonda sonda habora do wo kayan gai se fu vitamin wal bon futai ya mu ya mani mu tai se fundi ni ga ai sihini to wane man bisani se ummu ha nim ka jin bon wi ya mu ya mai kani dai din nohu kun ga difa ai man nai te ga hambiyar kan cin kanin se wallahi bo sidi ai gu donda ai zamai gu yuttu da dai ni ga ba mu te ga hinnan gi hannu gi ba funan kan gin ga mu cina kwai ne mu so bagin ga hamu wadi ya sonda ni dai son dirde hautan dai ni chaira to ummu ir koy dai min ga ai wai sin san ni boba so bai koy da wankan kindi ai wai vira jono ya to zali ka fondo goy ni ma da yamar yon wankan ni tai sai zali da tini don son cinai bir kwarai saraira ai go koy fu ai bumbo go koy gai ma fati ai ga safur fun bai wo fu ai manti ma ne siba Voilà, chers auditeurs du studio Kalango. Dans ce studio, nous sommes en compagnie également de Abdelmoumouni Ali Niali pour l'explication du mot corruption en full Bonjour Niali. Bonjour Samira. Bonjour Fanta. Bonjour, bonjour, bonjour, chères euh, auditrices, euh, bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre rubrique euh, culture linguistique de ce jeudi 12 décembre 2024 nous sommes venus pour euh, expliquer le mot corruption. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en germain et aujourd'hui nous tenterons de l'expliquer en fulfulde. bandiraɓe barkinaɓe kettinaniɓe studio kalangu et niger sur euh, kalangu kordian woyti e moɗon Hande alkamisa sappo ɗiɗi lewru décembre du ujunaɗe ɗiɗi e laso e nayyi on jaɓɓama du dow sigilaji nantinde kongi studio kalangu to enden ni hande min gari nantinde kongol faransire corruption nder fulfulde mbiyen jeenaari jeenayi lewru décembre hitaani fuu batu ñalowma ittanaaɗo duru heɓude mosola jeenol himɓe nder leyɗe duniyaaru waɗete nder batugo enden ni ɗum waɗa yilaaru firtude koye himɓe famtinde himɓe duni fa hannden ko woni jeenaardi enden e saɗormaaji ɗi jeenaardi enden waawi waddande himɓe famtinde himɓe duni fa hannden nder yilaaru pirtugol koyegol enden duni fa hannden laaɓi ɗi tokkire hisude na accude jenaare ndi andan nder leydi jenaare ni woɓɓe no nawtoro ɗum ngam sodude kundule himɓe ngam tefude gollal wakkati himɓe tefata gollal ngam himɓe duni fa hannden nder majjum woɓɓe no jeena kundule himɓe duni fa hannden yeeso cuuɗi kiite na jowuroɓe laamiɓe ngam tefude goonga dow fewre woɓɓe duni fa hannden nawtoro laawol gol enden ni nder lumaku en ngam heɓude lumaku laabi ni joɗɗinama caka leyɗe e leyɗe gam duni fa handen durude accude jeenari di endan nder gollirɗe e duni fa handen fannuji kewɗi burna himɓe handen e jaango jeenari hunde noon ko tonga yaadu yeeso leydi leydi fuu di nder mum kokkol sembe duni fa handen jeenari di endan himɓe no gaɗa ɗum hunde noon ko tonga batamare de endan ni naabi en leydi di endan ɓantari heɓata ko nder mayri sako yaadu yeeso danne jama'are himɓe leydi onon kettiniɓe duni fa hande sigilaji niger sur kalangu e studio kalangu en duro accude golle ɗe dan ni caka meɗen en duru ni fa hande ko watta bandiraɓe meɗen acca min on alkamisa voilà tout pour aujourd'hui. Merci Nyanli. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. na ga shi ya da mi da ki bai da cin ba makka da dondon kari ballara studio kalangu fa karai irgo gini hangana alwatu kulu irgo ma studio kalangu e kan da na bare ga kan da bon fere yan mhm. alan da e ga kan da ki tifon da yi faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga wa fa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgo ga goye ta dawo ki magaban da ga irko makamu da ni sai ngai go am mu koi da gina man di go ga kayan do kadai hankan ga himan da burmun warai dai irko himma tontoni sai yi mu koi da gina cintine gina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koi kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ingan ninga wani almayalai kulu ai ma bi hagar abdullahi kan go ballayar sato ai ga hangan karanguya karangu sigire wo kan ga kane sai sigir kulu ngai ma sanni kur kai ma ra gyo fo bon man jikala ngum ra ne ma kule wo shaganda ai sai tabbata ni bai ma ra nan gufo no kale ma hangan sigyo kal ngai mi hebo hanga dai ma ra sigyo kal ngai ne wo yadda wo no nan ai wo ai fanda ki ga mu fanda no nan ai wo halho ho ai da halho da futta ge sigida ki bon fere ki futta ge no do wondi ai zai futta ge bon je zai mata ki gi salan sanno salan ni sai da mi hagwajin ga ba funi mata ki ta kulu an gai no na kanai si do mu halho hayyan ai do har zangai eh, food eh, way haye mata kigite ndi dangai haye ngadi ker gamara ti na din kigite si hal na ayu aka kane si odi yon kuli gachi, ngunu na walla ayu aka kane si oh. iro kigite guru wacin oh, dufo ay go sigir fo hangan niger sur kalangu aka kane si gum gum gum sigiro hangan ba ga salan futa gay bonna ga salan do na ga salan asenu ay ga to madalla sintina dai ay gir president to kanki ga fo ay ga malama fo hal hon ay ga bero nya fo ngamu hal hon ngamu iri hanga sinyanno ikulu vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Et c'est tout pour cette édition de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même, Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, nous avons eu Mustapha Ayouba et à l'édition Adama Dawaki. Restez à l'écoute pour notre second programme de 2h à partir de 17h. Bonne journée.